Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants en Christ. Euh, je vous souhaite vraiment que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Dieu se manifeste dans votre cœur aujourd'hui, ce matin, que vous soyez bénis abondamment. Amen. Je m'appelle le Pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes localisés, euh, situés là-bas à Bobiel, quartier Bobiel, ville Niamey, plaque Alérie. Donc vous êtes invités à nos programmes. Chaque mardi à 18h, nous avons culte de prière. Nous prions pour euh, que Dieu exauce euh, le, le, désir du cœur de tout un chacun selon sa volonté. Et euh, chaque dimanche à 9h, nous avons le culte de célébration. Vous êtes invités. Amen. Donc, en méditant un peu dans la parole de Dieu ici, Matthieu chapitre 11, euh, l'évangile selon a écrit Matthieu chapitre 11 verset 29, il dit « Prenez mon jug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous devons valoir dans quelle direction nous sommes. Si nous sommes vers la direction pour aller vers Christ. Parce que Christ, il fait une invitation ici. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Et je sais, mes frères et sœurs, pour plus que nous voulons euh, montrer, C'est montrer fort, C'est montrer compétent, C'est montrer puissant, C'est montrer sage, C'est montrer intelligent. Mais ça va toujours nous manquer vraiment la tranquillité, la douceur. Et la douceur, mes frères et sœurs, et essentiellement, le vrai concept de soi s'exprime même dans l'attitude et la conduite envers les autres. Et elle en est une expression dans mes relations avec les autres. Mais une chose vous devez comprendre, nul ne peut être doux s'il n'est pas pauvre d'esprit. Matthieu chapitre 5, verset 3. Jésus lui donne comme les conditions euh, euh, euh, d'un citoyen du royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est à celui qui est pauvre d'esprit. On ne peut pas être doux si on n'est pas pauvre d'esprit. Personne ne peut être doux s'il ne considère pas comme un vil pécheur. Le doux n'est pas fier de lui-même. En aucun cas, il ne se glorifie pas de lui-même. Il reconnaît qu'il n'est rien lui, mais qu'il n'a rien lui-même qu'il puisse se vanter. Cela signifie également qu'il n'impose pas sa volonté. Vous voyez, comment vous pouvez les voir. Euh, c'est un déni de la psychologie populaire d'aujourd'hui qui dit affirmez-vous, exprimez votre personnalité, soyez fort, exprimez votre force, démontrez votre puissance, montrez qui vous êtes. C'est toujours le messages comme ça de triomphe pour que vous, vous puissiez être à la, à la tête, écraser vos familles, écraser vos amis, écraser les frais des ministères, écraser ce qui vous entoure. Vous devrez être supérieur. C'est ça, auteur. Et la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Soyez pauvres d'esprit. Prenez mes instructions. Jésus lui dit, prenez mes instructions. Il voulait que nous avançons dans cela, que nous soyons différents, mes frères et sœurs. Regarde ici. Comment nous pouvons être doux. Comment nous pouvons être euh, euh, vraiment euh, pauvres d'esprit si nous sommes trop auteurs. Il n'avait pas euh, vous voyez, il n'avance pas tous ses euh, euh, droits comme des prétentions. Il ne fait aucune exigence sur sa position, sur le privilège, ses possessions et son statut dans la vie. Il est comme un homme dépeint par Paul, par l'apôtre Paul, dans le deuxième chapitre de l'épître aux Philippiens. Vous voyez l'exemple de l'homme qui, qui l'apôtre Paul nous donne ayant en vous cette pensée qui était aussi dans le Christ Jésus. Vous voyez qu'est-ce qu'il dit dans ce deuxième euh, chapitre euh, de Philippiens. Le Christ n'a pas voulu affirmer ce droit à égalité, ce euh, droit à égalité avec Dieu, délibérément pas. C'est là que vous et moi devons aller. Nous ne devons pas, nous ne devons pas, mes frères et nous imposer, nous montrer force, courage, puissance, or que Jésus le dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez le jug de Christ, mes frères et sœurs. Prenez ses enseignements. Il est pauvre d'esprit. Les pauvres d'esprit. Heureux les pauvres d'esprit, car c'est à eux le royaume des cieux. Mes frères, vous voulez le royaume des cieux ou vous voulez le royaume de la terre Pour le royaume de la terre, vous devez s'imposer, être courageux, fort, plus fort que vos frères, plus puissant que vos familles. Vous devrez être la tête, vous devrez écraser n'importe quoi et qui pour triompher. En Jésus, il dit, venez et prenez le repos. Soyez humbles, mes frères et sœurs. La Bible nous enseigne à voir nos frères supérieurs à nous, à quand est-ce que vous avez vu votre frère supérieur à vous Dans quel moment vous avez apprécié votre frère pour leur don, pour leur capacité Ou vous pensez que vous êtes toujours plus puissant que tout le monde Prions maintenant pour que Dieu nous change et que ce quatrième jour de jeûne amène pour vous la douceur que vous avez besoin, euh, la pauvreté d'esprit que vous avez besoin. Comme Jésus a dit, pour se relationner bien, soyez pauvres d'esprit. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te prions. Je te supplie pour mon frère, ma frère. Oh Dieu, ma saint. Mon frère, ma saint. Oh Dieu, tous ceux qui écoutent cette émission, que ta parole rentre dans son cœur. Que ta parole manifeste le miracle, Seigneur, en les faisant être humble de cœur et pauvres d'esprit. Seigneur, faites-le, Seigneur, en citoyen du ciel, dans le nom puissant de Jésus. Aide-le, Seigneur, à ne pas prendre un joug qu'il ne peut pas porter, à ne pas être celui qu'il ne peut pas être, mais qu'il soit ce que tu veux qu'il soit, oh Dieu, un citoyen du ciel, euh, transformé, régénéré et béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Amen.